Et maintenant, l'édition spéciale de VOA Afrique consacrée au tournoi historique de la Ligue africaine de basketball au Rwanda. Bonjour, euh, ici euh, Jeanne Pewa Pelema depuis le studio de la Voix de l'Amérique, euh, Voix d'Amérique ici à Washington DC. d'ici En ce jeudi 27 mai, nous allons participer à deux quarts de finale. Je suis rejoint au téléphone par Sedina Abagay depuis Dakar au Sénégal. Bonjour Sedina. Bonjour Eugène et bonjour à tous les auditeurs de la Voix d'Amérique. Tout à fait. Nous saluons tous les auditeurs de la Voix d'Amérique, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Aujourd'hui, on a deux matchs à l'affiche, deux bons matchs d'ailleurs. Euh, nous avons l'US Monastir de Tunisie qui joue contre l'AS Douane euh, euh, du Sénégal. Dans le match commencera d'ici 30 minutes. Nous avons, euh, d'une certaine manière, Célina, deux genres d'équipes qui, en fait, jouent le small ball parce que ce sont des équipes qui ne sont pas, qui ont à peu près la moyenne, la même moyenne de taille, 1m97 et ainsi de suite, et qui n'ont pas réellement des big men, euh, mis à part pour la Tunisie à 2m10 James et puis pour le Sénégal Mbaye à 2m06. Tous les autres joueurs sont sensiblement de même taille, euh, donc aujourd'hui, on aura un match des équipes qu'on appelle qui joue le small ball, Sedina, et ça va se jouer sur des détails, ça va se jouer sur l'expérience, ça va se jouer sur euh, le coaching. C'est un match euh, qui est très important pour le Sénégal parce que bon, ils ont fait des mauvaises sorties les, les deux derniers matchs qu'ils ont joués. Vont-ils être capables de faire les ajustements On a vu une équipe du Monastir qui à dominer les débats dans son dans sa poule et, et donc ça va être un match d'une certaine manière qui est un grand défi pour cette équipe des Asdouanes. Douane. Euh, oui, c'est un grand défi pour l'AS Douane. Euh, comme tu l'as rappelé, euh, c'est deux équipes qui sont sensiblement de la même taille, même si on laisse moi euh, dégage l'impression d'être plus complet, pourtant à l'extérieur qu'à euh, qu'à l'intérieur de la raquette parce qu'ils sont plus adroits sur les pieds extérieurs et aussi ils sont euh, plus lucides pour euh, aborder les attaques et ils défendent de manière euh, très remarquable tactiquement. dans la raquette également, ils font des différences, même s'ils sont, comme tu l'as rappelé, sensiblement de la même taille que la douane. c'est pour cela que je disais que la douane devait chercher à résoudre l'équation au-delà de la puissance les ennemis les de cette équipe de surtout euh, celle du milieu de naissance euh, qui a fait un match remarquable. Wael Arakji, lors euh, euh, de, de, la de il a fait des matchs remarquables, notamment lors du dernier match où il a été vraiment surprenant sur beaucoup de plans de jeu et surtout peu que temps efficace, euh, déjà, c'est une équation à résoudre. La deuxième équation, comme je l'ai dit tantôt, c'est que même s'ils au moment de la même taille, Mon Inspire dégage une sensation de domination dans la raquette. Et ça, pour moi, la douane n'a pas montré, en tout cas dans les matchs de poule, euh, qu'il avait une répondant dans cette raquette-là. Et enfin, concernant l'aspect tactique, euh, Mon Inspire, comme je l'ai dit tantôt, dégage une sérénité euh, remarquables sur les phases défensives et sur les phases offensives, sur l'aspect tactique. Ils sont très disciplinés, donc euh, pour les bouger, il faudra que la douane fasse un match exceptionnel. Tout à fait. En tout cas, aujourd'hui, nous avons un match euh, d'une équipe qui est super expérimentée, l'US Monastir. Euh, ne l'oublions pas, c'est une équipe qui est composée de nombreux éléments de cette équipe nationale tunisienne, euh, des gens qui ont commencé à travailler ensemble euh, depuis les années 2005-2007. beaucoup d'entre eux sont arrivés en 2009 et depuis lors, puisqu'ils sont montés sur le podium africain que ce soit en nation ou en club. Ces joueurs compétissent de par le monde dans tous les championnats, qu'ils soient arabes, africains et, et Jeux olympiques inclus, Jeux olympiques, championnats du monde, ce qui leur donne euh, d'une certaine manière la possibilité de jouer au plus haut niveau. Par exemple, on sait que le, Tunisien Mejri joue, à, joue à NBA, euh, il joue avec les Dallas Mavericks, euh, maintenant il joue en Espagne. nous avons en face une équipe euh, d'une certaine manière euh, jeune de l'AS Douane qui n'a pas la même euh, possibilité de compétir, même s'il y a des éléments de l'équipe nationale à cette à ce niveau de la compétition. Donc dans un dans l'équipe de Monassir, nous avons trois joueurs principaux que sont Ramdan. Arakji qui a vraiment séduit, je pense, le public africain lors de son dernier match. Et, et Slimane. De l'autre côté, nous avons Faye, euh, Job et, Diallo. Donc, c'est, ce sont les leaders de, leurs équipes. La, la différence va se jouer euh, sur euh, des détails parce qu'on a une équipe de Monastir euh, Sedina euh, qui est rodée, qui, on peut le voir, qui a une maturité de jeu, qui ont des automatismes tellement bien développés qu'ils ils ne se cherchent pas, ils se trouvent en fait sur le terrain. Leur manière de jouer est fluide, euh, que ce soit sur le plan défensif, ils peuvent vous mettre la pression, et sur le plan offensif, ils ont un jeu de contre-attaque s'ils font le rebond, ils ont un jeu placé mi-terrain où vraiment l'équipe est en mouvement permanent. Vous ne voyez pas les joueurs de, de, Monastir euh, s'arrêter, essayer de regarder à gauche, à droite. Non, ils savent, c'est un mouvement et ça bouge euh, à tout moment. Et lorsque même ils ratent un tir, s'ils récupèrent le rebond offensif, s'ils sont pas en dessous, ils recommencent leur attaque et, et ils gardent leur plan de jeu jusqu'à la fin, même s'ils sont un peu inquiétés on peut voir euh, qu'il y a une continuité. De l'autre côté, et ils ne sont pas mauvais à trois points. Quand ils sont dans un bon jour, ça tombe dans tous les sens. De l'autre côté, nous avons une équipe de, des douanes qui a fait euh, euh, un bon match lors du match d'ouverture pour eux, qui ont pu battre cette équipe de GSP Pétrolier et GSP Pétrolier et par la suite sans retomber, sans tomber dans des travers qu'on n'avait pas vus. Il y a eu des choix tactiques qui avaient été faits par le coach de jouer la zone et ainsi de suite qui leur ont coûté, euh, qui leur ont coûté très très cher. Et le dernier match, on s'attendait euh, à ce qu'ils puissent rebondir du match qu'ils avaient euh, perdu précédemment contre cette équipe de Maputo à qui ils ont donné la largesse de dérouler leur jeu et malheureusement, ils n'ont pas pu et, une fois de plus, ils sont tombés. Donc aujourd'hui, euh, on a cette équipe euh, de, de douanes qui doit euh, d'une certaine manière, essayer de retrouver le, le basketball qu'ils avaient euh, lors du premier match où on a vu tous les joueurs jouer en groupe dans la, dans, dans, la, dans la raquette et en défense et qui s'entraidaient et sur chaque tir manqué, on pouvait les voir avec les écrans en retard, récupérer le ballon, relancer les contre-attaques, être très adroit parce qu'en fait la défense euh, permet de lancer la contre-attaque mais aussi on peut le remarquer que lors de leur premier match, ils étaient en mouvement et ça lâchait le ballon. Et donc ça s'est beaucoup mieux passé, Célina. Alors on, espère qu'aujourd'hui, on va retrouver euh, cette équipe des douanes euh, que nous avons vue lors de, la première journée. Oui, euh, c'est en tout cas dans la requête de la décennie et de récupérer beaucoup de rebonds, autant défensif qu'offensif, d'être sur le deuxième ballon. Maintenant, au fur et à mesure que le tournoi avance, on voit cette de douane qui un peu les fondamentaux en tout cas euh, du jeu qui nous avait offert lors du premier match et on voit également que plus ils s'éloignent de ces fondamentaux-là, moins ils sont performants. Donc je pense que autant pour l'entraînement sur l'aspect tactique, autant pour les autres sur l'aspect mental, détermination, et surtout de sur le terrain, il va falloir retourner à ce premier match-là qui jusqu'à présent est le match référence pour pouvoir, euh, en tout cas, gêner cette équipe de Monaco qui, comme tu l'as dit, est une équipe euh, euh, qui est remarquable dans le jeu, qui est remarquable collectivement et qui a des individualités qui font la différence quand il le donc, je pense que pardon, c'est à l'équipe de l'Ice d'essayer de bouger un peu cette équipe avec qui quand même en tout cas est impressionnante avec des joueurs comme Ben Dal, Slimane, Arakdi, aussi euh, l'Américain, qui est Marcus Christopher Crawford, qui, qui, apporte également tout euh, qui son épingle du jeu. Donc euh, je pense que l'Ice en tout cas, est, en véritable position de challenger. Et il faudrait qu'il justement puisse challenger cette équipe, essayer de les bousculer, essayer de les faire sortir de de leur zone de confort, de les, faire douter et pour ensuite profiter des failles qui vont sortir euh, à la suite de cela. Mais s'ils laissent l'US euh, Monastir dérouler son jeu et prendre ses ailes, il sera vraiment difficile pour eux euh, de les défaire. Tout à fait. En tout cas, c'est un match qui sera difficile pour cette équipe des douanes, mais c'est le basketball qui se joue sous quatre cartons. On sait, il y a des réalités que, que nous connaissons, toi et moi on peut voir par cette équipe de Monastir euh, une bonne maîtrise euh, du jeu de basketball. Mais sur un match, sur un jour, une équipe peut jouer un super match. Euh, ça va dépendre, je crois que le coach de, de, de cette équipe de, des douanes doit essayer de, faire tourner son effectif parce que euh, Monassir, eux, ils jouent avec, ils peuvent jouer avec 10 personnes. Donc ils vont, ils vont faire de la rotation et d'ailleurs on peut voir lors du dernier match euh, qu'ils ont fait, euh, Arakji est venu du banc et c'est le banc qui a fourni euh, pratiquement 60, presque 70% des points qu'ils ont marqués euh, lors de ce dernier match. Et, et, ça leur a permis de faire la, différence. Et, et, ce qui est très bien, et, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que le coach s'est rendu compte que Aragdi les gens n'avaient pas de réponse pour lui, que ça marchait très bien et il lui a laissé le temps de jouer, de faire son match. Euh, il n'a pas obligatoirement ramené le 5 entrées de jeu ou les joueurs qui rentrent en 5 entrées de jeu, mais il a compris euh, souvent, les coachs s'attachent à des principes. On a un 5 en jeu, et puis euh, même si le 5 en jeu ne joue pas bien, eh bien on le garde sur le terrain. Le coach de Monastir euh, nous a montré qu'il faut s'adapter avec le moment. Et si sur le moment il y a un joueur qui fait beaucoup mieux que les autres, eh bien ce joueur-là est mis, on le met à, qu'on peut dire ça, à, jouer plus, on lui permet de jouer beaucoup plus que les autres et ça donne le résultat que ça a donné. Et il va falloir du côté des douanes, il faudrait que le coach euh, des douanes puisse essayer d'autres joueurs, non seulement pour leur permettre de souffler, parce que ça va être un match qui est très intense. Les, euh, cette équipe de Tunisie, le Monastir, euh, ne joue pas, euh, ne se repose pas sur le terrain. Ils vont jouer 40 minutes sans arrêt et avec des changements en, en permanence qui va permettre la fraîcheur de leur équipe. Et donc, en face, on a cette équipe de douane, c'est pas des grands gabarits, il y a même des félins comme Faye, euh, euh, euh, comme Jallo et d'autres. Il faudrait que oh, oh, même même Job, c'est un félin parce que c'est vrai qu'il saute et ainsi de suite, mais il n'est pas c'est pas des gros des, des, des gros gros gabarits. Et donc il faut permettre aux autres de pouvoir les remplacer le temps qu'ils souffrent un peu. Les autres peuvent rentrer et essayer de faire un jeu fluide parce qu'en fait le basketball c'est un jeu qui est plus facile à gagner euh, en mouvement. Lorsque votre équipe en attaque joue en mouvement. Ça pose d'énormes problèmes à la défense euh, adverse. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'équipe adverse n'arrive pas à vous prendre en défense. Ils vont essayer de partir en zone en espérant que vous ne puissiez pas marquer votre, vos tirs à trois points. Et en fait, c'est ça. Et même quand il y a la zone, si vous êtes en mouvement et que vous faites des pénétrations dans la zone avec des décalages, ça permet à votre équipe euh, de faire la différence, euh, En tout cas, ça sera un match tactique, ce sera un match technique, un match physique. Et ce sera un match d'usure aussi parce que cette équipe de Massy, on va dire, on a vu euh, les douanes comme ils ont craqué. Euh, s'ils font la zone, voilà ce qu'on va leur faire. Euh, s'ils font homme à homme, on a vu ils ont craqué dans leur dernier match d'une façon un peu bizarre. Donc nous allons essayer d'une certaine manière de, de, les pousser euh, à, faire le plus d'erreurs et peut-être les amener à l'usure et gagner ce match. Peut-être que ça, ça peut être leur stratégie aujourd'hui, euh, Célina. Oui, j'avais une stratégie et je pense que si ils ont les moyens de, s'en sortir, parce que comme tu l'as souligné, a un entraîneur qui peut permettre de faire sortir son 5 majeur et le remplacer par un 5 issu du banc qui est aussi performant et le dernier match l'a montré parce que terminer avec 60 euh, points et plus euh, du banc, c'est extraordinaire en basketball. Et toutes les équipes dans ce tournoi, en tout cas, sont capables. Donc là, je dois déjà autant gérer le soulaire euh, du monde autant faire face aux remplaçants. Et surtout, là, je dois permettre à mettre en place un plan de jeu qui puisse déstabiliser le monastère, comme on l'a vu hier, entre les Focs et les journalistes. Avoir la lucidité et surtout, physiquement pour éviter l'usure. Parce qu'on a vu que les, les finalement, ont cédé euh, mentalement et physiquement et, aussi facilement, parce que les Zamalek a trouvé les failles dans cette mise en place tactique. Et par la suite, le coach Lazare euh, n'a pas pu répondre. Et, c'est ce que le coach de l'AS Douane doit pouvoir faire face à, cette équipe du Monastir, qui a plusieurs mises en place tactiques, qui a des joueurs pour l'appliquer, et surtout qui a pratiquement deux équipes titulaires, car c'est son scène et, les remplaçants se volent, et ils le montrent à chaque match. Donc, pour, les femmes, en fait, il faut être complet sur tous les compartiments du jeu et surtout, il faut aussi qu'à la même, euh, autant Faye qu'Alcali soit un peu plus euh, lucide et un peu plus efficace, éviter certaines erreurs qu'on a vu hier, notamment des joueurs qui prennent 10 ou 12 secondes à dribbler, et ensuite qui ont moins de temps euh, pour faire la mise en place offensive. Et on a vu d'ailleurs ça a été beaucoup de points au FAP. Donc euh, je pense que le match d'hier est un match qui peut permettre à cette équipe de l'AS de prendre des exemples à éviter et surtout de voir aussi comment exploiter les failles face à un grand d'Afrique et surtout face à une équipe qui, au-delà du nom euh, qui porte, une équipe qui peut nous permettre d'aller au bout et tout le monde le euh, tout comme euh, cette équipe de joie mais il faut reconnaître que cette équipe de Monastir, euh, autant moins que beaucoup de personnes la voient euh, aller jusqu'au bout de ce tournoi. Tout à fait, Cédina. Euh, en tout cas, euh, ils pas, euh, ils auront fort à faire aujourd'hui et c'est une équipe qui est jeune de toute façon douane donc euh, ils ne devraient pas essayer d'économiser leurs efforts pour peu qu'ils jouent dur. On a vu cette équipe de, par exemple, prendre l'exemple d'équipe de Ferrovario de Maputo où on a un 5 en jeu, où la moyenne de minutes de ce 5 en jeu est de 37 minutes. Donc les joueurs jouent 37 minutes. Et ils arrivent à tenir le coup euh, euh pratiquement euh, l'ensemble du match, sauf peut-être le, premier match qu'ils avaient perdu. Et encore, le premier match, il avait perdu parce que Barou euh, était absent de ce match. On ne sait pas si Barou avait été là, peut-être le, euh, le résultat aurait été différent. Et donc, même si nous prenons, ce que je veux dire par là, nous prenons euh, des rotations des joueurs pour permettre une fraîcheur parce que ce serait une équipe euh, que, euh, profonde des Monastir, l'équipe que les douanes vont, vont, vont rencontrer aujourd'hui. il faudrait que ceux qui jouent apprennent à donner le, le, le maximum. De toute manière, aujourd'hui, c'est un match. Euh, c'est gagner ou rentrer à la maison. Donc euh, il faut mettre tous les efforts. Là, aujourd'hui, sur ce seul match, c'est un match de quart de finale. Il n'y aura pas euh, un match de rattrapage. C'est vous gagnez aujourd'hui, vous êtes là, vous perdez, vous êtes parti. Donc pour le moment, on voit les équipes s'échauffer. théoriquement, les, le 5 entrées de jeu des Monastirs, c'est Omar Abada, Mouradi El Mabrouk, Ramdan Siman, Major Carter James, euh, euh, Makrem Ben euh, euh, Ramdan. Et de l'autre côté, on a Al-Khalin Dour, Mamadou Lamine Diop, Serine Bamba, Sheikh, je crois que c'est, si tu peux m'aider là-dessus, Sheikh Ahmed, euh, Céline, si tu peux m'aider sur le 5 enjeux des douanes, parce que je, n'arrive pas à bien lire les noms là. Oui, le, 5 enjeux, en fait, euh, euh, globalement, ça tourne autour euh, de Al-Khalindou, mhm. Mamadou mm -hmm. Lamine Diop, Céline blanc Yes. Euh, lors, du match précédent, lors du match précédent, il a mis Cheikh Doui, il a également mis euh, l'Égyptien Ahmed Hassan Acha, en fait. Parce que lors du dernier match, il a changé le 11 Tout à fait. mais les joueurs autour, autour desquels tourne l'équipe, c'est Mamadou Lamine Diop, euh, c'est Mamadou Faye, c'est Cheikh Bamba Diallo. Yeah. Euh, si on s'appuie sur le match précédent, il y a Ahmed ouais. Hassan Akia qui a... Ouais, je pense que je pense qu'il va rentrer aussi aujourd'hui parce que... Ouais, je pense qu'il va rentrer parce qu'il y aura Majok de l'autre côté, 2 mètres 10 et il va falloir euh, peut-être contrecarrer cet adversaire d'une certaine manière. C'est vrai que euh, ma job n'a pas été très efficace sur le plan offensif, mais pour euh, faire une fixation à l'intérieur, ce serait bien que le coach des Dents puisse mettre euh, ça, ce, joueur égyptien à Hassan Ahmed pour qu'il puisse jouer un rôle de fixation, ce qui permettrait aux joueurs de champ de jouer de façon un peu plus efficace. Donc c'est un match en tout cas qui va être très difficile, c'est Dina. Euh, on le sait, euh, difficile pour cette équipe de douane. Euh, parce que, comme je l'ai dit au départ, c'est une équipe de Monastir super rodée, une équipe de Monastir qui, qui ont du basket dans les jambes, qui se connaissent pratiquement par cœur. je crois qu'il y avait Slimane qui disait que leur équipe c'était une famille. Donc euh, c'est des joueurs qui passent leur temps ensemble, qui vivent ensemble euh, chaque jour qui passe. Et donc il y a une complicité, des automatismes qu'ils ont qui sont naturels, qui sont devenus naturels en fait. Parce que la répétition de, mouvements euh, deviennent lorsqu'une équipe euh, travaille énormément. Et ça ne les empêche pas d'être créatifs aussi, parce qu'on peut voir euh, un joueur comme Slimane euh, faire des choses exceptionnelles à 40 ans, un joueur de 40 ans qui euh, joue un basket euh, Slimane, un basket qui est vraiment impressionnant. Il prend des tirs à trois points, il fait des pénétrations, il fait la passe en extra. En tout cas, un super joueur de basket. Ramdan, pareil, il en est de même. Arakji, n'en parlons pas, il nous a fait découvrir quelque chose le match précédent. Nous verrons s'il va confirmer aujourd'hui. Mais euh, de l'autre côté des douanes, il y a quand même des joueurs, euh, Faye, euh, Job, euh, Diallo, qui, qui nous ont prouvé qu'ils pouvaient faire des choses. Et même Hassan Ahmed, euh, sur le plan offensif, a fait des, des, des choses qui étaient très intéressantes. Euh, le, problème, c'est surtout sur le plan euh, défensif qu'il il y avait des, des, pour lui des difficultés. S'il il avait en face un joueur, par exemple, comme que ça arrive, ça va être difficile parce que le gars bouge tellement vite et, et, et pourrait lui faire commettre des fautes que le, le, le coach peut regretter. Et ça, c'est un autre aspect du jeu des, des douanes. Il faudrait pas que le coach des douanes laisse Ahmed... Euh, Hassan Ahmed d'avoir trop de fautes. Euh, il faut il faut le protéger aussi. Il faut le faire sortir un peu plus souvent pour qu'il soit plus frais et l'utiliser chaque fois qu'il est. sorti. On l'a vu cramer à un moment donné parce qu'il avait beaucoup enchaîné. Tout à fait, tout à fait. Et, et, et il faut qu'il utilise un peu plus euh, c'est-à-dire que chaque fois que, du moins, euh, quand je dis un peu plus, chaque fois qu'il est sur le terrain, il faut le mettre à contribution sur le plan offensif. Parce que là, ça ferait des, des, des, des, des une fixation, un point de fixation. Ça obligerait cette équipe de, de Monastir à vouloir doubler sur lui, à vouloir l'étouffer. Et à ce moment-là, ça permettrait à des joueurs comme, euh, comme Faye ou comme Jallo Diallo et même, et même Job de prendre des tirs à trois points ouverts. Il ils seraient bien dans la sélection de leurs tirs que, que, cette équipe de douane aussi ne se précipite pas. Il ne faut pas confondre euh, euh, vitesse et précipitation. Et, et lorsqu'ils ratent un tir, s'ils prennent le rebond, si c'est pas un, un putback, euh, ne euh, euh, peut pas remettre le ballon dans le panier rapidement, il faudrait qu'ils recommencent leur attaque et cherchent la meilleure solution. Il faudrait que Job se rapproche un peu plus du panier parce que il a un avantage, il a une détente qui est qui est incroyable. Par contre, cette équipe euh, euh, de Tunisie, les gens ne sont pas très athlétiques, mais ils sont extrêmement techniques, extrêmement techniques. Et donc, c'est sur ces aspects-là qu'il faudrait qu'ils joue. Un, gars comme Faye peut aussi tirer son épingle du jeu. Un, gars comme jallo euh, euh, Diallo peuvent aussi tirer leur épingle du jeu. Il faudrait qu'ils ne forcent pas, qu'ils bougent, qu'ils coupent et, à ce moment-là, ça permet de, créer un trouble dans une confusion dans la défense de l'équipe adverse et ce qui permettrait de, leur permettre de faire mieux euh, euh, dans ce match-là, quelle que soit l'issue euh, à la fin. oui, c'est une chose importante. L'autre moi, euh, qui, sur le je de l'équipe, sur le bout de la Ligue parce qu'on l'a vu sur le premier match. Euh, il a été excellent sur les deux autres matchs aussi. Il n'a pas été mauvais, mais il a eu moins de rendement, alors que c'est moins des joueurs sur lesquels l'AS peut s'appuyer dans le secteur intérieur, parce que comme tu l'as dit, il a une défense euh, incroyable et surtout, il a une explosivité qui lui permet de, s'imposer dans, la raquette, même s'il n'a pas la taille de tout opérationnels parce qu'il fait 2 mètres 0 euh, mais c'est un joueur quand même plutôt beaucoup apporté dans cette raquette-là. Et concernant le monastère tu a dit, je pense qu'en parler n'est que répétition, mais bon, c'est assez impressionnant tout ce qu'ils font. Et surtout, ils ont une identité de jeu. Quand on voit cette équipe de jeu, on se rend compte qu'au-delà de l'habitude de jeu, en fait, ils ont une éducation tactique qui leur permet de se trouver tout le temps sur le terrain. Et même s'il y a des expatriés des joueurs qui sont venus rencontrer cette équipe, ils sont fondus dans cette identité de jeu de sorte à ce que cette équipe-là euh, puisse euh, nous émerveiller autant qu'elle l'a fait depuis le début du tournoi. Tout à fait, tout à fait, Céline, c'est tout à fait ça. Euh, on rappelle à nos auditeurs que ce match est le troisième quart de finale de cette Ligue africaine de basketball qui se déroule actuellement au Rwanda, à Kigali, dans une salle à Kigali Arena. Une beauté, un bijou euh, qui donne envie à tout amoureux de basket de vouloir jouer. Même moi qui suis à la retraite, j'aurais aimé aller jouer même deux minutes là sur ce plancher un peu spécial euh, qui, est, qui, extraordinaire. En tout cas, c'est impressionnant. En tout cas, je serai à Kigali euh, pendant l'Afro-Basket, donc j'aurai l'opportunité de, visiter cette salle et, et, et, de me rafraîchir avec. Et donc euh, ce troisième quart de finale va opposer l'US Monastir de Tunisie, qui l'équipe favorite de ce match, contre euh, l'Est Douane euh, du Sénégal, qui est le petit poussé ici dans ce cas particulier. nous invitons tous nos auditeurs à suivre ce match. À Bangui, vous pouvez suivre le match sur la bande 101.7. À Brazzaville et Kinshasa, vous pouvez le suivre sur la bande 104.3. À Matadi, Bouji, Maï et Kananga euh, sur la bande 93.5. À Pointe-Noire sur la bande 98.3. À N'Djamena sur la bande 93.1. À Dakar sur la bande 102 à Lumumbashi sur la bande 102.8, à Bukavu sur la bande 97.4, à Goma sur la bande 96.2, à Kisangani sur la bande 97.7, à Abidjan sur la bande 99, à Ouagadougou sur la bande 102.4, à Niamey sur la bande 102.5 et à Lomé sur la bande 102.3. Le vainqueur de ce match euh, jouera le, vainqueur de la dernière euh, euh, de la dernière du dernier quart de finale qui se jouera ensuite entre les Patriots du Rwanda et cette équipe de Selina, euh, euh, le, quatrième carton, euh, quatrième quart de finale, ça oppose le Patriote avec avec qui exactement Un instant. Cédina, tu es là Cédina, je t'ai perdu. Ben nous, Salina est, absent momentanément. je vais vous donner le, prochain match qui se jouera après euh, celui-là. Et le vainqueur de ce match euh, va rencontrer euh, le, vainqueur du Ferrovario de Maputo contre le Patriot Basketball Club du Rwanda qui joue à la maison et qui aura et qui sera sérieusement supporté par euh, euh, les fanatiques du basketball à Kigali qui viendront, je suis sûr, très nombreux. Et ce sera une équipe euh, de Ferrovario super excentrée qui vont rencontrer où tout peut se passer et nous aurons bien sûr les demi-finales qui se joueront samedi et ça nous permettra de connaître les finalistes et ceux qui joueront le match de troisième et quatrième place. Actuellement, les équipes sont présentées sur le terrain de la Kigali Arena. Il s'agit de cette équipe de l'AS Douane qu'on présente actuellement. Ensuite, on présentera cette équipe euh, de US Monastir, et bien sûr, la fête euh, commencera. Ce sera un grand match qui va se jouer aujourd'hui. Euh, puisque c'est un match à une seule issue, il n'y a pas de match retour. Vous gagnez aujourd'hui, vous avancez. Vous gagnez pas aujourd'hui, vous êtes parti. Donc euh, vous allez en vacances. donc Cédina, donc on va démarrer ce match dans les secondes, mais il faut rester sur euh, la ligne. Euh, ça va être un match euh, super important pour l'AS Douane, pour cette équipe de jeunes de l'AS Douane, euh, un peu moins expérimentée. Mais c'est un match où tout peut se passer. C'est le basketball, il y a des jours où la meilleure équipe peut ne pas avoir la main, ne pas exécuter son jeu, ne avoir des problèmes et l'autre équipe jouer le meilleur match de leur vie. Donc le petit poussé qu'est Douane va faire ce qu'on veut. On va partir, euh, partir dans un petit break et on va